un but à zéro lors de la première journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations à Bafoussam. L'unique but de la partie est signé de la star Sadio Mané sur penalty dans les arrêts de jeu à la 97e minute. 10 janvier 2017, la FIFA approuve la mise en place d'une Coupe du Monde à 48 équipes à partir de 2026. 10 janvier 1997, il est issu du centre de formation de l'élan sportif chalonnais, Ibrahim Falfey, fête ses 27 ans. Le basketteur sénégalais, il joue 9 matchs en Pro A avec l'élan Chalon pour 1. Pour la saison 2016-2017, 3 matchs en Coupe d'Europe FIBA pour un point de moyenne et une rencontre en Leader Cup 2017 il part jouer en Pro à Poitiers pour la saison 2017-2018, 5 points par match. Merci avec la très belle voix de Sabelle Olivia Diane qui nous a donné les éphémérides de ce jour comme à l'accoutumée chaque jour de jox li gënoon qui euh, ci dans le passé bien sûr wala le jour donc ci jour man ci sama c'est l'anniversaire de mon invité Mounir que je souhaite euh, un, très joyeux anniversaire Ça tay gâteau bi ah, vous bu paré dinañ def euh, guerre mag yow gâteau bi vous mu dugg ci ndax sama invité souffler euh, joyeux anniversaire à toi Mounir. merci Marcel euh, ça fait plaisir en tout cas l'année d'autre que j'ai vu 10 janvier 2022. effectivement j'étais sur le plateau de la TFM. Sénégal ah! Zimbabwe le matin émission matinale comme ça et on gagne le premier match, on prend la carte. J'espère que l'histoire va se répéter. Non, ça va se répéter, ça c'est sûr. C'est en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, on l'espère aussi. Joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour aujourd'hui. Ça, c'était son anecdote du 10 janvier. Nous, personnellement, euh, on a aussi d'autres personnes qui vont rentrer dans les éphémérides tout à l'heure. Mais es directement, qu'est-ce que la date du 10 janvier de la bah, Forcément 10 janvier 2022. Parce que c'est là que l'aventure, c'est là que euh, la belle aventure commence. Et c'était tellement difficile. Mhm. C'est un match qui a déterminé, moi, en fait, qui n'est continue Cannes. Et puis, ça a été tellement important ce but à la 97e minute sur penalty que l'autre monde qualifiait mhm. Parce qu'on se qualifie sur un seul but. Un but sur penalty, on se qualifie. Et donc, euh, Lolo nous vraiment moi ñu porter chance pour nous nous ñu parce que compétition c'est vrai que mm-hmm. il faut le talent il faut euh, un bon bon coaching il faut de bons joueurs mais il faut un peu un un, chouïa de chance. Oui. Et Lolo non on a vu dès le premier match qu'on a eu une petite chance parce que même le penalty hein amna arbitre ne nañ ko hein. quand Pape frappe gain bi la mm-hmm. euh, c'est un penalty mais amna arbitre ne nañ à ce moment là du match parce que on était à 7 minutes, je pense, de temps additionnel. Donc, euh, beaucoup de secondes. Et peut-être qu'on ne serait pas qualifié, peut-être qu'on n'aurait pas gagné la canne. Oui. Mon 10 janvier, vraiment, c'est que ça que ça marche. Non, c'est un jour historique, vraiment, pas que pour toi, mais je pense tout le Sénégal, nous, on a eu des frissons ce jour-là. Donc, euh, c'est un 10 janvier spécial. Absa, que te rappelle la date du 10 janvier euh, je vais euh, simplement souhaiter happy birthday à tous les natifs de janvier et également à notre cher invité Mounir. Euh, joyeux anniversaire di <laughs> effectivement donc euh, mon loolu que janvier di fàttali pourtant Demba énuméré énumérer lu rëy du 10 janvier mais intéressé wu la sax gis naa ni faale woo démb lim la. 6 février le gëna japp jàpp. <laughs> waaw waaw anniversaire anniversaire wu ñaaña moo ko gën a intéressé gis naa loolu. Ah, wa jaxna amul ben problème donc c'était ça pour les éphémérides du jour di les rek euh, on a beaucoup de partenaires qui sont là sur le plateau aujourd'hui il y a euh, notre notre partenaire euh, qui nous accompagne tous les jours il s'agit de Kiren et de Pepsi ils nous accompagnent tout au long de la journée depuis le début de l'émission nous avons également de petites douceurs.